mbokk yi dal ak jàmm ci sen mercato sur 13 TV Hamidou Keita datna dem ci Portugal attaquant sénégalais bi am 26 ans engagé wu ak CD Santa Clara di ab formation bu première division bu Portugal Ginnaw saison bu am solo boo xam def nako ci FC Botoçani dougal fa 14 buts jour bi prolongé wul contrat bi nga xamné ne mu ngi doon juin. ba tax mu daal fay jóge ngir engagé wu ñaari saison ci club bu bésam bi ginnaaw saison bu baax boo xam ne def na ko ci kulóoru Fatih Karagümrük bi nga xam ne tax na sax club yu bëri bëgg ko Alassane Ndao bàyyeekoo na ci Turquie attaquant bi am 24 ans nekkatul ci championnat football yu Europe yi waaye ma nga ca golf ci Arabie Saoudite club bi di Al Ahli nekk fa nga xam ne fa la Mbaye nekkoon fa la daal di signé ci lu tolloog 3 millions d'euros ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wut remplaçant ngir lay Dia mi nga xam ne dafa dem ca Villarreal Stade de Reims ñu ngi may gët benn international sénégalais bu ñu sukkandiku ci information yu MSV Foot dirigeant yu Reims yi dañoo bëgg ñu abal leen kii di Youssouf Badji waaye sans option d'achat mu nekk ci contrat ba juin 2024 ak club Bobé, nek ci Belgique ancien joueur bu Casa Sport bi ba tey imposé wu club Bruges mi nga xamné ne na fa niki janvier 2020 niki arrivé au Belgique ak Légui, joueur bu 19 ans bi football na fa 33 matchs, 7 buts ak équipe première bi ci Afrique Amadou Camara di ab attaquant malien mom mo passé benen cap ci carrière am ginnaaw ba mu ci élite bu Norvège jeune joueur bi signé na contrat ba 2024 ak Sarpsborg 08 nek ci D1 bu Norvège Amadou Camara débarqué ci football européen bi ginnaaw ba mu wonee boppam bu baax Oslo Football Academy bu Dakarou mi nga xamné ne ak club bi ci Ligue 2 bu Sénégal ngir saison prochaine. Libre depuis la fin de son contrat le 30 juin dernier, Lionel Messi, 34 ans, ne va pas quitter la FC Barcelone. L'attaquant argentin et le club espagnol ont trouvé un accord pour un nouveau contrat de 5 ans jusqu'en 2026. Le Real Madrid serait prêt à écouter des offres pour Eden Hazard cet été selon ABC. Carlo Ancelotti veut un groupe de 23 jours maximum pour la saison prochaine et les merengues ne diront pas non à une bonne proposition pour le Belge. L'international norvégien Martin Odegaard pourrait bien quitter lui aussi définitivement le Real Madrid cet été pour se séparer de celui qu'on considérait comme l'un des plus grands talents de sa génération. La direction merengue aurait fixé son prix à 50 millions d'euros selon ESPN. Arsenal aurait fait part de son envie d'enrôler le milieu offensif de 22 ans, mais aucune offre n'aurait été proposée pour le moment. Le latéral droit brésilien Emerson a passé sa visite médicale avec le FC Barcelone après son transfert en Catalogne pour 9 millions d'euros. Il avait évolué avec le Betis en copropriété pendant ses deux dernières saisons. Selon les informations de Sky Sport, West Ham serait toujours en discussion avec Chelsea pour enrôler Kurt Zuma, âgé de 26 ans, Cependant, un accord semblerait compliqué à être trouvé et les Blues souhaitaient inclure leur défenseur central français dans une offre pour un autre défenseur du CVFC, Jules Koundé excellent lors de l'Euro 2020 où il a prié avec la Hongrie au point de figurer dans notre 11 type des U23 le défenseur central Attila Salai à la côte. Le joueur de 23 ans évolue pour le moment avec la formation turque de Fenerbahçe, mais le Borussia Dortmund s'intéresse à lui selon le média sportif turc Tegert Haberspor. Le défenseur allemand du PSG, Thilo Kerrer, âgé de 24 ans, attire plusieurs courtisans. Alors que le nom du Bayer Leverkusen a été cité ces derniers jours, ce n'est pas le seul club qui a des vues sur Kerrer. En effet, selon nos informations, d'autres clubs allemands sont venus au renseignement auprès des représentants du joueur. Il s'agit de Wolfsburg, de Lentrang, Frankfurt, de Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich. Le Bayer Leverkusen annonce lundi la prolongation du contrat de Lucas Alario, âgé de 28 ans, de deux saisons supplémentaires. L'attaquant argentin arrivé au sein du club allemand en 2017 en provenance de River Plate pour 24 millions d'euros est désormais lié au Bayer jusqu'en 2024. Enfin, selon les informations de Sky Italia, l'OM, l'Olympique de Marseille aurait déjà un accord avec Nicolas Maximovic, le défenseur libre de tout contrat après son départ de Naples, mais le joueur serbe de 29 ans est aussi suivi par Séville, féroce concurrent pour l'Olympique de Marseille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Mercato sur 13 TV. Mercato sur 13 TV